Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires à la présentation, je suis Salamatou Kadri et avec moi Ali Moukaila Ousseini dit Seno. bonjour. Bonjour Sali. La technique est assurée par Amina Hassan à l'édition Rahilatou Soumana et Kadiga Isaka. Et oui, dans le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, nous vous proposons un menu riche et costaud. De quoi agrémenter votre mi-journée. Alors, auditrices et auditeurs, restez câblés. Nous sommes avec Bachir Gentil, enfant de la source islameur. Avec lui, nous allons parler de cette poésie et surtout de la carrière de l'artiste. Et oui, c'est parti pour une heure de musique, d'infos et de reportages. bonjour chers auditeurs, maintenant je vous propose, euh, je vous invite à suivre le Flash Info avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno, bonjour Salamoutou. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash d'information. Aujourd'hui 19 octobre, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein. Le cancer du sein féminin est devenu le type de cancer le plus couramment diagnostiqué dans le monde. Il est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Selon l'OMS, rien que sur l'année 2020, un total de 2, 3 millions de cas ont été confirmés, dépassant pour la première fois le nombre de nouveaux cas de cancer de poumon. Cependant, son, son taux d'incidence et sa mortalité diminuent toutefois d'année en année. Dépisté tôt, c'est un cancer de bon pronostic dont le taux de survie reste stable à plus de 80%. Pour rappel, octobre est le mois de la lutte contre le cancer et chaque année au Niger, les dépistages des cancers se poursuivent dans plusieurs centres de santé. Le ministre de la Santé publique a effectué hier une série de visites à l'Office nigérien des industries pharmaceutiques, au Laboratoire national de santé publique d'expertise, au laboratoire Ubifarm et Laborex. Le médecin colonel Garba Hakimi est parti constater la disponibilité des produits pharmaceutiques, s'inquérir des conditions de travail des agents et relever les difficultés pour trouver des pistes de solutions. Au niveau de la société Ubifarm qui stocke des produits, il a été relevé un manque d'insuline et de vaccins. Cependant, le responsable a rassuré le ministre de la disponibilité d'un stock pouvant répondre aux besoins de la population pendant un mois. Enfin, début hier à Niamey des activités de la 7e édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à FONAFA qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2023 à Niamey. Une rencontre qui, selon les organisateurs, contribue à faire la promotion des entreprises locales et la souveraineté alimentaire. C'est plus de 200 femmes et jeunes venus des huit régions du pays qui présentent leurs produits. C'est la fin de ce flash. Merci infiniment, Nefissa, pour toutes ces informations Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Il s'agit de Bachir Gentil, enfant de la source. Il est artiste slameur. Avec lui, nous allons parler carrière artistique. Bonjour Gentil. Bonjour Seino, bonjour Salamatou. Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mais avant de vous donner la parole, qui font ensemble l'un de vos chefs-d'œuvre avec le titre Terre perdue. de loin. Ça ressemble à une terre morte, les vents soufflent, les dunes du sable se déplacent. La pluie tombe et les claquements des feuilles d'arbres orchestrent une mélodie amputée, Il paraît que, que cette terre est loin d'être parfaite. Il paraît qu'aucun être humain n'a choisi sa destination sur terre. Il paraît qu'on marche tous dans l'obscurité en cherchant la lumière. Il paraît qu'on a tous la vie sur le fondement de la naissance et de la mort. Et il paraît même que, que chaque être humain vient de quelque part avant d'être légende, quelque part. Alors moi je viens de la terre morte selon les dires. De là où l'armatan tape à perpétuité les tambours battants, là où on danse les nuits autour d'un grand feu sous les rythmes des en savourant le la terre des girafes à l'air libre, terre des dromadaires. J'ai navigué sur les fleuves d'Oliba, consommé du cocteau et me soigné avec du quinqueleba. J'ai été parfumé avec du encens chez les Kanouris. Consulté un voyant à l'aide des coris, invoqué de bois pour des mystères inconnus, mangé du cliquet et du kilchi bien cuit. Je vis des villes entourées par des gras rochers sentir la chaleur ardente du Sahel et l'humidité de la zone soudanienne. J'ai échangé avec un griot, au roi de l'éloquence. Voix fine, l'algueta l'accompagnait, les karangous assurés et la cadence était parfaite. Je m'a tracé entre les lignes l'origine de l'homme. Je viens d'une terre perdue, ce n'est point un fardeau, non. Je viens d'une terre perdue, ce n'est point un fléau. Roi Hadari. la terre des pères, la, terre-mère. Je suis le fruit de la toute première grande civilisation. Je viens de la terre des architectes, l'empire des pharaons et des pyramides de coquettes Je viens de la terre de l'eau, la mer des mers, terre des pêcheurs, dieu des vagues. De là où on se baigne dans la mer pour se purifier l'esprit et rendre grâce aux ancêtres. Je viens de là où règne la culture vaudou, source du savoir de la science par la nature, l'art cohabitation du profane et du sacré pour guider les âmes perdues, chasser l'esprit fou et rendre grâce aux divinités. Je consommais du foufou, purifier ma gorge avec les vie pour rendre plus à mes dires. Voir mes frères la côte avaler de la braise pour se purifier la parole. Je contemplais du haut d'une falaise le réveil des morts, rassemblement des sages, rituel au nom de nos ancêtres l'appel aux esprits de nos aïeux pour visiter la terre et y mettre leur bénédiction. Je vis la danse des vierges, des jeunes filles torse nues dansant pour une fierté sauvegardée. La famille autour, les sourires au visage. J'ai à moi les sangs de l'esclave, maître de son destin, qui m'a servi de boussole jusqu'à ma provenance et l'origine de l'étiquette noire sur ma peau. Alors pour annoncer mes retrouvailles, la calebasse a résonné à mon honneur toute la nuit pendant que moi j'ai dansé du takamba. Et maintenant que j'ai les rythmes dans le sang, j'ai envie d'être garant de ma culture traditionnelle, envie de porter cette fierté ancestrale. Mais j'ai peur, j'ai peur de prendre le nom et d'être un perdant. Mais ne cherchez point la date de péremption de ma peau car c'est mon identité, c'est le point un fléau. Cette peau est l'étiquette de ma provenance en fait. Elle est le code des de reconnaissance de mon appartenance pour vous dire que, je viens d'une terre perdue, mais ce n'est point un fardeau, oui, je viens d'une terre perdue, mais ce n'est point un fléau. Et oui, c'était là le titre Terre perdue de l'artiste slameur Bachir Gentil, enfant de la source, qui est notre invité du jour. Alors Bachir, un petit bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement, en slam bien sûr. Je suis de ce peuple éduqué avant même toute éducation, je suis de ce peuple du vin consommateur de la viande des serpents. Je suis de ceux qui prévoient l'avenir en consultant le sol. Ceux qui sculptent l'argile pour faire des peaux, qui façonnent la peau pour faire un sac. Je suis. Je suis Bachir Gentil, enfant de la source, la mère de la bonne humeur. Je suis originaire de partout, habitant de nulle part et porte-parole de l'humanité. <laughs> Alors, euh, Gentil, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, de notre échange, parle-nous d'abord de ce titre que nous venons juste de kiffer. Hein. Il s'agit du titre Terre perdue que vous avez produit. Quelle est son histoire alors, Terre perdue, c'est un titre quand même qui a été déjà produit en 2018. Mhm. C'était le fruit quand même de beaucoup de voyages, c'était le fruit de beaucoup de festivals. Le titre avait commencé à, en fait, les premiers mots du titre étaient sortis lors d'un festival à Ouida. C'était en 2016. Euh, c'était sur le festival Marathon de Eliphaz, bien sûr. Après, il y avait eu des, participations sur des festivals euh, donc, euh, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et beaucoup de choses. Et j'avais compris une chose en fait. On peut tous prétendre être d'un pays particulier, mhm. mais la première des choses que nous remarquons quand nous regardons quelqu'un, qu'il soit côtier ou sahélien, mhm. c'est qu'on voit d'abord la fibre africaine qui brille à lui. Mhm. Et je m'étais posé la question, et si les frontières n'existaient pas si toutefois les frontières n'existaient pas. Parce qu'en fait, on arrive à trouver quelque chose ici qu'on trouve au Togo. On arrive à trouver ici les Hauka, mhm. qu'on trouve de l'autre côté avec euh, un, similaire qui est le vaudou. Mhm. Donc, il y a exactement au Bénin. Donc, il y a énormément de trucs, même au Togo, quand tu prends vers Aného et tout. Donc, il y a tellement de choses, il y a tellement de similarités dans notre vie. Qui se ressemblent. Exactement. Voilà. Et je trouve qu'en fait, nous formons une seule paire. Mais souvent, on perçoit mal l'autre mhm. qui fait une chose, alors que chez nous aussi, on a quelque chose de similaire que lui. Mhm. Et je m'étais dit, je pense qu'il est temps que j'arrive à croiser les différentes réalités mhm. dans le Sahel et dans la côte qui se ressemblent. Et donc, c'est toute cette recherche qui a mené à ce titre Super. perdu. Alors, comment avez-vous euh, découvert le slam et ce qui vous a poussé à en faire votre métier Alors, moi, le slam, je l'ai découvert par hasard. <laughs> C'était vraiment un hasard. Mhm. Parce que j'ai commencé à faire de la poésie. Hmm. Et donc, après, je faisais de la poésie, je faisais de la poésie. Et un jour, j'ai essayé de déclamer un texte de poésie à l'occasion de la Journée internationale de la, jeune, euh, de la femme scientifique, notamment à la faculté des sciences et techniques en 2012. Et des amis m'ont dit que, mais toi, tu slams en ce moment, je ne savais même pas ce que c'est vraiment l'islam. Et donc, c'était parti comme ça. Quand j'ai entendu le mot, j'étais parti pour euh, chercher des slameurs sur les réseaux sociaux et beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment ainsi que j'ai un peu découvert le slam. Après, ici, j'ai découvert le slam, bien sûr, avec Jonel. Avec Jonel, mais aussi avec le collectif Plume du Sahel. Donc, je fus d'ailleurs le coordonnateur de ce collectif pendant pratiquement quatre ans. Et donc, c'est ainsi que vraiment l'islam, pour moi, avait débuté. L'islam est souvent associé à l'expression personnelle et aux émotions. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos textes Est-ce que c'est compliqué ou bien Alors, l'inspiration, moi, je trouve que ça se trouve partout. Ça se trouve ici même, d'ailleurs, dans cette salle de studio Kalangu. Il y a énormément de trucs aujourd'hui, juste à côté de moi, qui font l'objet d'un texte. Et euh, ça se trouve aussi dans la vie de, tout, de tous les jours. Quand tu sors de chez toi, tu vois un orphelin qui est en train de pleurer avec juste 50 francs et qui n'arrive pas à manger. Tu trouves un mendiant qui, dans sa tasse, il n'y a rien. Et tu trouves quelqu'un qui vient de passer avec une grosse cylindrée. Tout de suite, ça te parle. Et tu, tu, tu, tu n'arrives pas à comprendre le décalage temporel et le décalage sociétal. Donc, il y a énormément de trucs sur la voie de tout le temps sur, euh, même quand on est dans sa chambre, hmm. on cogite, souvent on pense à sa petite amie, souvent on pense à tout ce qu'on a traversé dans la vie pour y arriver là. Alors, moi je trouve que ce qui est difficile, c'est souvent de ne pas s'écouter. Parce que souvent, on veut plus écouter l'autre qu'on refuse de s'écouter nous-mêmes. Parce que tout simplement, la personne se dit aussi, quand elle s'écoute, elle va peut-être entendre des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ou qu'il faut peut-être taire un moment. Et je pense que le slam, la première des choses, c'est savoir s'écouter. Savoir écouter ce que notre voix intérieure nous dit et savoir euh, réfléchir, en fait, sur tout ce qui nous ont fait mal et tout ce qui nous ont fait du bien. Et donc, du coup, c'est un peu difficile souvent de le faire parce que la vie des hommes, on choisit toujours le bon côté, mais on oublie aussi que le mauvais côté arrive à forger notre personnalité pour atteindre un but bien précis. Super. Alors, euh, comment euh, définissez-vous votre style de slam ou votre approche artistique Alors, moi, mon style de slam, je préfère en tout cas l'appeler euh, du slam griotique. Griotique. Exactement, parce que moi, je pense qu'en fait, la première apparition de la parole libre était d'abord chez les griots. Nous, en Afrique, on avait cette, ce patrimoine déjà oral qui est tellement puissant et qui, en tout cas, a fait quand même le tour du monde dans beaucoup de, dans beaucoup de civilisations, c'est pour archiver quelque chose, il faut l'écrire. Mais chez nous, pour archiver quelque chose, il faut l'écrire, mais l'écrire où Dans la tête des gens. Et donc, c'est d'où l'importance de la parole. Ça veut dire c'est graver ses écrits dans la tête des gens. Et l'Africain avait choisi cette méthode parce qu'aujourd'hui, quand je te dis quelque chose, tu ne peux pas l'oublier, mais tu peux lire un truc et l'oublier. Et donc, du coup, il y a ça. Alors, moi, je pense que ce que je suis en train de faire, c'est quand même pour euh, le bien de tous. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui est en train de, de partir vers, euh, vers une vitalité. Parce que souvent, vous savez, quand vous essayez de faire quelque chose, vous essayez quand même de, d'être immortel. Exact. Alors, avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause pour euh, un deuxième son. Je rappelle que c'est encore euh, un de vos créations. Euh, c'est un featuring avec Aïcha Trifel. Ça donne tout simplement Donne-moi des ailes. La technique, faites-nous voler. <laughs> toute chose une voix qui rend la vie rose. Le mal existe à la différence du hasard et du vide. Tout a un sens et tout mérite d'être Le bonheur est vide, le malheur est plein. Alors, combien de temps pour que les gens comprennent mon art mon art est une pierre précieuse qui apaise le cœur et les âmes Et même si ça dérange les autres, c'est que au moins les restes se retrouvent dans ce que j'ai dit. Des textes que j'écris, je les dédie au moins aux francs, oui. C'est là qui sont dans des doutes et qui pensent que leur est Music, la voix des sans-voix, l'écume douteuse des astres, navigateur des ténèbres, ombre protectrice de la terre. Je t'emporte, je peux voyager vers un monde sans crainte, un monde sans danger. Le croix à main, je détruis les murs de l'injustice. Et cette quête, et eh oui, euh, donne-moi des ailes pour vous. Retour au studio avec euh, notre invité du jour, euh, Bachir Gentil, enfant de la source. Alors, est-ce que le slam influence votre vie en dehors de la scène artistique, Gentil alors, moi, je pense que le slam a toujours influencé, et même pas le slam, l'art d'ailleurs a toujours influencé la vie de, l'artiste en dehors de la scène artistique. Parce que même si on ne veut pas être slameur dans la rue, les regards de la société nous poussent à être slameurs. Mais moi, je refuse en tout cas que le slam puisse influencer ma vie sociale parce que j'ai envie de m'arrêter chez la bonne dame sur la voie qui vend du beignet et de massa pour payer comme tout le monde. Et donc, je pense que c'est ça. Et en tant qu'artiste islamère, quel rôle, joue, quel rôle euh, joue, pensez-vous, dans la société et quel message souhaitez-vous transmettre à votre public Alors, euh, je commence par le message. Le message que je voudrais transmettre à mon public, c'est d'abord euh, le rationnement. Moi, je suis dans une euh, démarche qui est le retour à la source. Amener les gens à se questionner sur eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on veut, on veut tous devenir quelqu'un, mais on oublie souvent de retourner en arrière pour savoir d'où on vient. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Mm. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que en fait, moi ce que je suis en train de défendre, c'est ou bien de faire la promotion ou tout ça, c'est en fait le vivre ensemble. Donc c'est vraiment le vivre ensemble, c'est questionner les gens, c'est que les gens puissent regarder la réalité en face. Moi je suis comme un miroir, donc à moi se dessine, se dessine la vie, aussi se dessine énormément de trucs et que les gens arrivent à me regarder et à se regarder eux-mêmes. Quand tu es en face de moi, tu puisses te regarder. Donc moi, je pense que c'est ça je suis. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'artiste slammer euh, jusqu'à ce jour Quels ont été euh, vos moments forts et vos défis Alors, euh, je préfère en tout cas sauter sur beaucoup de trucs parce que si je dois dire depuis 2013 à aujourd'hui, c'est hein. énorme. <laughs> Mais je pense que mon parcours a été tellement riche pour moi. Mhm. Et en peu d'années de slam, j'ai arrivé quand même à créer deux grands festivals. en que j'ai mis à la main de Plume du Sahel que j'ai créé d'ailleurs, euh, un que j'ai gardé avec euh, mon association aussi Art et Racine. Donc il y a Slam School Féminin qui est un festival qui fait la promotion de la jeune fille et qui a déjà deux, trois éditions et qu'on a amené plus de 20 pays. Donc il y a Slam Écolo qui a été créé dernièrement, qui a amené aussi pour sa première édition déjà huit artistes invités avec tous les slameurs du Niger. Et je pense que je fais énormément de festivals aujourd'hui que je garde en mémoire. Donc, euh, de toute ma carrière jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 57 pays hors Niger et 57 festivals du monde hors Niger. Et tous ces festivals ont apporté un plus quant à la construction de la personnalité de Bachir Gentil. Parmi ces festivals, je pense qu'il y a des festivals comme le Festival du Sénégal qui m'a qui été consacré ou bien qui m'a consacré comme étant la meilleure plume du festival. Il y a aussi le festival Kalebash euh, Challenge, avec qui j'ai eu euh, la, le meilleur prix de la meilleure prestation. Le prix de la meilleure prestation, il y a le festival de, de, Bobo du Lasso, notamment, que j'ai eu aussi la meilleure révélation. Après, je pense qu'il faut aussi noter que j'ai été champion du slam ici au Niger, donc champion national du slam au Niger. Et j'ai été aussi vice-champion du slam africain auprès du FESPACO. Donc, toutes ces choses, je pense qu'on arrivait, ce sont quand même des moments forts qui ont fait de moi ce que je suis. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai un Master 2 en art et culture, option euh, littérature orale et médiation culturelle. Et je pense que c'est vraiment le l'islam qui m'a poussé à partir vers ce master-là. Je suis coordinateur d'un centre culturel, notamment la galerie Tawedo. Et tout ça, je pense que c'est vraiment le slam, c'est l'art qui m'a poussé à être euh, dans ce domaine. Super. Avez-vous euh, des projets ou des performances à venir dont vous aimeriez nous en dire plus alors, euh, déjà, actuellement, on est sur une création avec Kamikaze, avec Kamikaze et Diasibo Chambiano. Donc, le titre de la création, c'est Venir de quelque part. Il y a aussi le spectacle Thomas Sankara n'est pas mort un 15 octobre, qui a déjà été présenté trois fois et qui va continuer dans toutes les universités du Niger. Il y a notamment le spectacle euh, Arrationnement qui a été présenté au CCFN le 16 février notamment et qui va aussi être accueilli dans beaucoup de, lieux. Pour finir, euh, euh, pour ceux qui aimeraient hein, se lancer dans le slam, que leur diriez-vous Je dirais il faut croire et il faut aimer. <laughs> Merci beaucoup. et moi pour euh, bien sûr au diapason du rythme sur le Niger, à la croisée de la parole et celle de l'information. Je croisais une machine à donner et à recevoir. Je croisais des âmes charitables qui savent donner de leur amour, de leur énergie. J'ai voulu que cette voix s'entende sur les diapason de nulle part, mais que l'humain arrive à capter ce que les génies n'ont pas pu sauvegarder. Pour la quiétude de nos cœurs, pour l'information de nos yeux et pour le plaisir de vivre ensemble. Studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou s'est poursuivi mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdo qui porte aujourd'hui sur l'éducation numérique. Et eh oui, restons branchés, n'est-ce pas, Sali Et eh oui, c'est pour cela que ce matin, Ousmane Mahmoudou, responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou, va nous édifier sur un sujet d'actualité qui a fait grand bruit cette semaine. Le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a annoncé une initiative majeure pour lutter contre les boîtes et les comptes automatisés qui ont envahi sa plateforme. Alors bonjour à tous, donc euh, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Donc aujourd'hui effectivement on, on, va parler un peu euh, de la virée que Twitter, euh, nouvellement X, le réseau social donc d'Elon Musk a pris. Donc le réseau social X a annoncé, donc c'était hier le 18 octobre, qu'il exprimerait un abonnement, qu'il va expérimenter un abonnement payant obligatoire dans deux pays pour le moment qui sont les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Donc cet abonnement baptisé Note et Bot, donc euh, ce qui n'est pas un bot, donc de façon euh, beaucoup plus claire, donc c'est une initiative qui vise à lutter contre les faux comptes. Donc, euh, les faux comptes automatisés, plus communément appelés bots. Donc, c'est sur Internet, en fait, il y a des petits comptes des petits, des gens qui créent des faux comptes, qui souvent qui créent des contenus de façon automatique et les partagent de façon automatique sans qu'il y ait réel contrôle. Donc cette initiative, selon Musk, elle va mettre fin euh, à ces, à bots-là. Donc les nouveaux utilisateurs dans ces pays devront vérifier leur numéro de téléphone et payer un abonnement annuel de 0,75 dollars aux Philippines et 0,85 dollars en Nouvelle-Zélande. Donc en France CFA, ça va tourner entre 400 et un peu plus de 500 francs CFA l'année pour publier sur la plateforme et interagir avec d'autres internautes. Oui, Ousmane, c'est une approche intéressante pour contrer les bots. Mais qu'en est-il de son efficacité Alors oui, bon, côté efficacité, on n'est pas très très sûr parce que cette mesure, pour que cette mesure puisse créer une certaine friction pour les créateurs de comptes automatisés, elle ne va pas dissuader probablement les acteurs les plus organisés aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très organisés, qui payent beaucoup d'argent pour euh, maintenir ces comptes-là à flot. Donc la génération de faux numéros de téléphone, c'est déjà une pratique qui est courante. Et le coût par compte frauduleux créé ne devrait pas représenter une dépense significative pour les entreprises de désinformation spécialisées. Donc je le disais tantôt, les services de renseignement et les groupes de cyberdélinquants, ils ne vont pas du tout lâcher prise. Donc ces acteurs-là sont des gens habitués à investir dans des opérations de désinformation coûteuses telles que la location d'ordinateurs ou de serveurs quelque part ou même de VPN ou l'achat euh, de publicité souvent frauduleuse. Donc, euh, pour résumer, cette nouvelle règle pourrait être euh, contournée assez facilement par les acteurs déterminés. Cependant, il faut retenir que cela ne s'applique qu'à ces tests initiaux. À l'avenir, il est possible que tous les utilisateurs, quelle que soit leur ancienneté sur la plateforme, soient tenus de payer. Oui, c'est ça. Donc, pour le moment, cette mesure ne touche que les nouveaux utilisateurs qui ne souscrivent pas à l'abonnement Note et Bot. Donc, si vous êtes ancien sur Twitter pendant des années, mm. pour le moment, vous n'êtes pas concerné. Donc, ceux qui ne payent pas pourront uniquement lire des messages, regarder des vidéos et suivre des comptes. Mais ils ne pourront pas interagir et donc vous n'aurez pas peut-être la possibilité de liker, de partager ou de commenter. Donc en somme, vous allez devenir des spectateurs passifs sur Twitter. Ousmane cela semble être un compromis visant à maintenir un modèle commercial rentable pour X, car les utilisateurs payants continueront à avoir de la publicité. Oui, cette décision d'Elon Musk, évidemment, qui détient donc X, qu'il a racheté euh, euh, en avril euh, passé, a clairement des implications commerciales importantes les utilisateurs gratuits verront de la publicité, tandis que ceux qui payent auront la possibilité d'interagir pleinement. donc c'est un équilibre que la plateforme cherche à maintenir. Merci euh, Ousmane pour euh, cet éclaircissement. C'est une initiative intéressante, mais comme nous l'avons euh, discuté, son efficacité contre les bots reste à voir. Nous continuerons à surveiller cette situation de près hein, et à vous informer de tout développement ultérieur. C'est tout pour cette chronique, n'est-ce pas Ousmane oui. Merci, merci. Alors, euh, chers auditeurs, nous poursuivons. Et cette fois-ci, euh, Sally, ça sera quoi euh, Notre tour musical avec ce titre, toujours invite de Amiral JC. C'est parti. Je n'ai jamais voulu rechanter, je voulais rester dans ma ville. Les années passent, j'ai constaté ça, il y a toujours un vide c'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette fille. C'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette fille. Je n'ai jamais voulu rejeter, j'ai voulu rester dans ma vie, Les années passent, j'ai constat, y a toujours envie c'est ma Elle a vraiment besoin de cette Zion qui laisse ma carte. C'est ma Elle a vraiment besoin de cette Zion qui laisse ma carte. Petit à petit, ma tête me revient. Je reviens au milieu du chemin. À quoi s'attendre à quel geste Même pas grand chose, mais ça serait trop bien. Mon expérience fait comme mon espoir. Mon je prends pas les avenues. Oui, je longe toujours les raccourcis. Parce que ma vie s'est rétrécie, donc chaque moment vécu, moi je l'apprécie. Un jour viendrai, je serai un homme, espérant que l'image soit bonne. Le reflet dans les yeux de cet homme, c'est qui s'est barré avec beaucoup de temps de fait Je un état de plus de lucidité, laissez épanouir mes pensées. J'ai voulu rester. La musique d'Amiral JC, notamment sa chanson Toujours un vide, est un véritable chef-d'œuvre du rap nigérien. Dans ses paroles, il délivre, il délivre un message profond et émotionnel, créant une connexion authentique avec son public. Et oui, Toujours un vide est un morceau qui mérite d'être célébré pour euh, son impact artistique et émotionnel discuter, donne même pas les choses, je sais même pas pourquoi un vrai casse chinois. À ce qui paraît la nuit pour conseil, tu pars et n'arrives pas à porter sommeil. Mes nuits blanches et l'air détail, matin dans la nuit, je rêve de coucher le soleil. Le juste, j'ai eu ce qu'il veut, le hic, le franchise, je mastique le hip-hop. De mafia, boys à escroc, Clara, Amiral, JC, fortifie sa jamais Et eh oui, voilà, cher auditeur, à l'instant, c'était bien l'artiste euh, Amiral JC qui nous a chanté Toujours un vide. Poursuivons à présent, direction euh, la capitale économique du Niger, Maradi, pour l'écho des régions. C'est qu'à Maradi, il existe des terrains favorables à la production du riz oui, depuis euh, quelques années, l'ampleur ne cesse de s'accroître selon un constat de la direction régionale de l'agriculture. Comme se porte, comment se porte euh, la production du riz à Maradi Reportage de Mohamed Maman. On écoute À Maradi, les propriétaires de jardins situés le long de Goulbi profitent pour faire de culture du riz. C'est le cas de El Ndou ce retraité de la fonction publique qui cultive du riz pour sa propre consommation. Ça fait trois ans je fais la production du riz euh, au niveau d'une partie de mon jardin. Bon, ça n'atteint même pas un hectare. Les difficultés, parce que pour produire du riz, il faut de l'eau. Or, vraiment, c'est ça le gros problème auquel nous sommes confrontés. Mais malheureusement, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir euh, avoir assez d'eau. Alors, euh, quelle est la production Elle est satisfaisante euh, bon, pas du tout, parce qu'elle ne m'assure même pas la consommation annuelle. Juste euh, peut-être avoir 4 sacs ou 3 sacs. Un autre producteur fait cette culture du riz à plus grande échelle. Mohamed Laouli consacre deux espaces de 4 hectares à cette production et témoigne que c'est intéressant. to da na samu goron na ga yana yi shi ma sai na dan fara gwada to amma abin da ya sa na bunƙasa ta kwarai lokacin da aka sami baliyar ruwa wannan ta shekara 2020 shekaran nan duk abin da muke sa da dawa ce da masara to shekaran nan muka ga ba abin da muka samu kuma ruwan sun daɗe wajen wata uku suka yi shi yasa shekara mai zuwa sai ci to tunda canjin lokaci ya zo kina ya kamata in san menene ya kamata in yi sai na ga shinkawa ita ce ta cancanta tunda dama ita ai ruwa ce ita ruwa ne take so kenan tun daga wannan shekarun na kuma shinkawa gadan-gadan a nan dai inda muke kusan eka ɗaya da rabi ne na shinkawa kuma can bayan gulbi ina da wajen kusan eka uku da na sa shinkawa abin da nake so gani duk cikin noma ba abin da yake noman shinkawa daga noman shinkawa sai na masara sai na alkama su ne cikin ɗan ƙaramin hili wanda za ka noma ka samu albarka eh yanzu kaga in ka ɗauki kaman eh, shinkafa wannan in ta yi kyau a cikin eka cikin baka samu kana samu kusan buhu ɗari dan da kwai 2021 da na fara eh duka sur 8000 meter kare ne na ita abin da tashi da ita wajen kusan buhu 55 to buhu 55 ku kaga ai alhamdulillah Dans le également, la culture du riz remonte dans un passé très lointain, selon le sultan, l'honorable Abdou Balam

ya wanka hodama kaushi kenan sai ta tashi to hodama laka ce hu tana conserve da ruwa sosai da sosai to haka nan ake haka nan ake shinkafon nan ta yi zamani ba ɗan kaɗan na ba amma sannu sannu sai ya sha baya ya sha baya saboda saboda tun lokacin da aka yi mana wani amina jama'a La Direction régionale de l'agriculture régale d'un bon oeil les initiatives pour la production du riz à Maradi. Pour le directeur régional Mohamed Kabirou, l'engouement devient d'année en année important. sosai ga yanzu muke gani kamar ka cikin wajejen gazawa da nan kuma kwancin gulbi na shinkawa sosai ma suna shinkawa don a bisa wannan damuna ta bana abu ne ma wanda muke bi musamman in allah da karshen damuna za mu hiddo raskwana za a ga aka samu mi mutane suka yi amma lalle mun yi lura nan da kamar shekara uku da ta wuce mutane sun mai da hankali sosai ga noman shinkafa abinda kuma nake so in kara ma gaba ɗaya ma a mataki na ƙasa a bara kaɗai shekara ta 2022 abinda kididdiga ta bada nan Nijar abinda aka noma tsakanin masu yin ta cikin gandari da masu yin ta cikin gona sai da aka noma shinkafa da aka yi kiyasin ta ta kai tan dubu ɗari da hamsin to kaga lalle abu ne mai yiwuwa saboda haka sai mu ce ba wani abu ne wanda zai ba mu wahala inda Allah ya sa akwai wurin kuma ana iya yin ta kamar yadda ake yin ta a gandari kuma ana iya yin ta cikin gonakai kuma akwai masananta sosai suna nan wanda suka san menene shinkafa daga nan gidan gona da mataki na iniran da mataki na yame babu inda wani ilimbo na shinkafa zai bace mutane akwai masananta de plus en plus les producteurs de maradi s'intéressent à la culture du riz qui est d'ailleurs un aliment de base Cependant, la non-maîtrise de l'eau peut estomper certains ardeurs chez ses producteurs. Il incombe désormais à l'État de les accompagner pour produire du riz en grande quantité au Niger. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. c'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Seno, bonjour Salamatou. Alors, l'équipe nationale du Niger de football est de retour après euh, un séjour au Maroc dans le cadre de rencontres amicales jouées fenêtre FIFA. Oui, nous les poulains du sélectionneur par intérim, Zakariaou Ibrahim, ont joué donc deux matchs. Deux matchs, une rencontre face à la Somalie qui a été d'ailleurs remportée par le Niger 3 buts à 0 et l'autre sortie, c'était face à la Libye où le score était d'un but partout. Deux matchs, une victoire, un nul. Je pense que la sélection nigérienne est sur une bonne voie pour entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Mexique. Mais, mais je dis bien, mais le chemin est long. Donc le MENA doit continuer à travailler. Gourouza, les équipes de la capitale se préparent pour la Super League du Niger. Oui, cela m'a tout chaque saison. Avant le début de la Super League, les équipes s'affrontent pour pouvoir euh, faire des retouches au, sein euh, de leur groupe. C'est une mise en jambe en quelque sorte. C'est dans ce cadre que euh, des matchs se sont enjoués à Niamey. L'Olympique de Niamey dispose de Zumunta sur le score de 2 buts à 1 Défaite de l'AS Nigelec 0-1 face à l'AS Police, match nul 1-1 entre l'AS Douane et l'AS Fan. Alors Gourouza, le CIO a entériné lundi dernier euh, cinq nouveaux sports dans son programme de Jeux olympiques de 2028 prévu à, Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Oui, il s'agit du baseball qui se joue sur un terrain de gazon ou de sable. Euh, si vous vous rappelez, au niveau des plages vous voyez des gens jouer. C'est ça, le baseball. Mm. Le softball, c'est un sport collectif pratiqué par deux équipes de neuf joueurs. Le but du jeu, est d'avancer les joueurs autour de quatre bases appelées buts. Mm. Le cricket, ce n'est pas le cricket que nous bouffons ici. le cricket est un sport collectif de balles et de battes opposant deux équipes et se joue sur un terrain de forme ovale ou en herbe. La crosse c'est un sport d'athlétisme qui consiste à une course de masse à distance. Flag foot est un sport dérivé du foot canadien et américain. Le squash est un sport de raquette. Euh, c'est vrai, c'est le raquette de, euh, tennis euh, de table ou de tennis euh, en général. ça se joue également sur un terrain entièrement entouré de murs de vitres. Donc, euh, pour vous rappeler, les, premières, euh, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne se sont tenus à Athènes, Athènes. Athènes, oui, Athènes, en 1896. Et les prochains Jeux euh, sont prévus où À Paris. Oui, à Paris, en France, du 26 juillet au 11 août 2000. 24. Voilà pour le sport. Super, Gourouza. Merci. Merci. infiniment, Gourouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Place à présent à notre portrait du jour à l'occasion de la journée mondiale euh, de lutte contre le cancer. Nous vous proposons le portrait de cette femme d'exception. Il s'agit de Fatih Ali, présidente de l'Association des femmes malades du cancer au Niger, qui nous parle des, raisons qui l'ont motivée à s'impliquer dans la lutte contre le cancer. Fatih, présidente association des femmes nigériennes qui souffrent du cancer. ai wo doro an ya nonati ai nya gunda kan nai hai ai ganda giri hinza nya ya gisi da doro giro kan a gisi da dan do giri wai ta kindi ta ki ko giri wai takin go giri ga bu giri ga tun giri ga bu giri ga tun ai na lakkalora kan ai hin gati ai to dan do dai kan ai nya na doro te dan do din no irkoi kan dai sai doro kan irkoi kan dai sai doro ai zumbugwai aina bankarai kakalai kan bakar buli zora za don aiwo ai lakalo wato bon fere daino sino kigiti borai sai borai mate ga palpe ga guna ga teya sadin bon fere wo din manka amma aiwo a ga lakkal kan ai fafa zai ma haifo yogi kadai koi doktor kwara ga ha im gonai sai zama yiwo doro wo kanser wo an yano ne kan doro naran dino aran naran wona sataferi ha'a ai wo doro wo kan na idiga ka hun kon giri waran kicin difoni mm. ya dinga satamu son giri hin kane ka irna feri karan aran tangam da doro wadin nonan kan aran sa ta feri ai tangam da doro irkoi ne no safari ai wo ai safar ai dubani son ai go goro ai biyar kin da nya fo babu fo a izi ngamu hin ko kai go cige ko hin za ngamu doro ka kaya aga kan doro ka a ga ya dinga ai daga ibon wura kan doro wo ai wo atai se fu wani atai se tubu wani ya dinga ai man di mat kul kan negate gane ai ma dinga doro kini ga gati kan ai furo ga wai borai nan kan santro do gwamnati mu fonda kokaro zam santro wo kina te songo inda woy boray boray kul bongay goga feri boray ga kaga kubay kubai safara goga te haya kul goga te nga kan ayne to hayo wo sata nirgati Ir mate sata na group yante ir goga woy boray fahamandi ir go koy santraira ir no haya kul woy boray songo ir bongay kul go feri ir go fahamandi se fahamay fu de fahamay fu no arangu woy boray no dorobo madala, ir go woy boray no dorobo kan dorino danga dorai kulu matkan dai he mari danin di din mana sagyau din mantun da hinai mabai kan aga hinga tuni se allo markati yai ga ya din no doruwo ne mo dana moddi man dori dorino kan ne ga tugu man koi ga dai man koi ga ceci nan gufu ir koi no kan dani ga ya ga zani mayo girgici matkan no wai borai mu koi doktor kwara de pistaju imu kokar gate kan ganan yi mabai hala uh, gudaizo go fara zama aiwo lalle gudaizo nai wani sintinda gudaizo ka sintinda ya dinga imane ima bai matki gingai fafai hamda ga koi loktor kwara didiyamo ima ka da wasi ima loktor ifondai gana kan ganan da irkoi yadda da ga alwamar gogi na hai kulkan ninti ni ga daidai ima gonde ai ne giri waran kakin difu ai ne gogwar hunkunai man mila hal hunkun zaru gai garne MKD Voilà, c'était Fatih Ali, euh, une survivante de la maladie, interrogée par Zenabou Abdou. À présent, dernier tour musical pour la route avec Lio qui nous chante la Gola. je l'ai noté, de tous mes actes Dieu l'a doté. Marcher à ses côtés. lado quand je l'aperçois, mon monde est illuminé. Je peux pas bouger, je suis figé, enraciné comme un piquet Pipi dans m'a snipé, je suis touché. J'en tire mon navire écoulé Le sourire de Lago m'a piqué, son charme et ses formes ont envoûté. Je voudrais tellement lui expliquer qu'elle me donne envie de kicker. Aussi bien son aura que son physique se combinent pour inspirer mes lyrics. Un voyou veut bien jouer les dociles. Pour elle, les mauvais garçons, ça Elle est plus de côté. Elle est belle à côté, Partout je l'ai notée. De tous mes âmes, tout Dieu l'a dotée. Marcher à ses côtés. Heureux de tous les mecs du quartier. Avec son déhanché. Elle nous a mis tous au taquet. Et oui, la Gola, c'est le titre de l'artiste Lio. Voilà. Faisons place maintenant aux femmes du studio Kalango pour euh, le loti du jour. Au Niger, la mutilation génitale féminine est pratiquée dans plusieurs régions du pays. Oui, bien que des personnes associent cette pratique à la religion, aucune religion ne recommande cela. Elle est basée sur l'ancienne tradition. Elle, a, elle engendre des conséquences physiques et psychologiques sur la victime. Plus de détails dans la chronique Loti présentée par Samira Rouafi et Rakia Arimi. Hey wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta wallahi ki yarda da ni kike faɗa wa kowa maganan nan ki ɗauko ta ki ɗauko mota ki zo ki iske ni nan niya salamu alaikum kokokok rabiya haba rabiya an yi minti talatin da kika barni waje kina ta waya to ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa hmm. ki gawarce ni uwa wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle kenan ya kamata a ce cikin murna kike mana tunda kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe <laughs> na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, ga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki shine. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su ya suka yi mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki ma iya ke kaciya. Anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya? Na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau, amma ni ina ganin wannan zai sa ‘yata ta zamna kurum. Kuma kamar yadda ake cewa za ta zama ‘ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamar har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kakaki ta ce mi, buɗe kunnuwan ki saurare ni uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini ya bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗaukar wannan tasacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗoka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hokin ba ni tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma shine duk lokacin da ta ɗauki ciki ba za ta iya aihuwa da kanta ba. Kuma inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon tsari, Kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa, ta rasa jini, a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta. Ko ɗayan biyun nan dai, duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata a shirye zan jewa ta cikin kabari iyata dai ba a mutu kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini kaina game da wannan al'amarin ba komai rabi ayan ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo gudunmuwarki ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba kadai abu ne da ya kamata ki kokari a kansa hmm, wacce kakar tawa wannan jarababbar hmm. yaya zan yi in ka mata mazancan to kakar ki ce fa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka ba safar shika da kaka aka ce a'a ya kamata ki daure ki mata magana ke dai barni nan inda kika gani C'était là le loti du desk femme du studio Kalangu. Suivons maintenant euh, pour la culture linguistique. Le mot du jour est solidarité. C'est en full full avec Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Eh bien, la solidarité se définit comme un devoir social, une obligation d'aide, d'assistance ou de collaboration gracieuse entre les individus d'un groupe ou d'une communauté. Dans la notion de solidarité, on trouve toujours la réciprocité ou une forme d'échange mutuel qui crée un lien entre les individus en les obligeant réciproquement à donner, recevoir et rendre. La solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que la solidarité augmente notre niveau de sérotonine, souvent surnommée l'hormone du bonheur. Soumana Kouani et solidarité fulfuldo. Machallah, <laughs> salamatu. solidarité c'est vraiment ama eh, faransire ko firte fulfulde woni codol endam codol endam goldu to yaha warta fu tawta kenani himbe joddibbe naadu wondube hawtuɓe leñol la hawtuɓe jonde kina tawe no ballodir hakkunde muɗum en tawe ona walla ona walla ɗum wiyete soɗodirgol enɗam nder majjum nimɓe no tirsina koye muɗum en tawe no ballodir o enɗam no tirsina koye muɗum en tawe no jaɓata konɗam wallede no tirsina koye muɗum tawe no ɓeyda ballal ka waɗa du konna hollama ke coɗon enɗal ngol enɗam hunno noon ko laati ko ɓeydonta yimɓe hono bawɗe e ley gurdam muɗum en eɗum laatide konna hunde ko walloto

sai ana eh, sensibilisation mutane tunda yanzu akwai matsaloli da yawa in ba dan radiyon ba da ake saurare yanzu da yanzu gaskiya abin akwai matsaloli amma yanzu masha Allah ai magati Hassan Hassan Kimba ko gurbon ne wallahi rajo kalangu rajo no kan a ganda bon fere gumo da ma a wani labarai nin kan gini hangan ni sifur bon hawaira dama lokaci ka lokaci na igano igano fulanci ne zarmaci ne hauski ne lokaci fon faransano kokor ikul mo sanna iga chargano den sima wo ne niga ma wone kina kul gano ngai labarai no akan sai wo aiga hangan no gum gum gum nkunda igingine dai hago habo pil dai ko ga dai raja o eh ayang e sine kege fo dai sintina dai arambumbo kanka gi berandi i gan keme ka keme ga han kun kine ai gai fo an tonan dan do watin gan nan ku kan raja jin daga koi ai go gai fo an tonan di do journaliste me ding me ai go gai fo an tonan di ga suna na yusuf hasan to rayin a biskan shirye-shirye biskan harkar dai abun ga harkar mata wannan masu zuwa awo da sauransu ba shi wani bi mata sun ta awo ma wani bi ba su samun yana suke so yanzu yanzu an sun ta wata tuna suke zuwa da asuba suke zuwa su yi tsaye nan sai wajen wutar fasi ma ba a fara ba to ga na kamata mun za ce su dauki mataki suka wannan mm. kuma su zo da wuri su fara musu da wuri mm. kuma su asanya na za a yi musu a fara musu da wuri kowa ya samu da suke so to ina da kai na fara nan a yarka ina da kuma ma'aikatanmu na bakin kowa a mangacin su ma fara nan muna gaya su kowa da kowa mm-hmm. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.istudiokalangou.org. Oui, vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même, Ali Moukela Ousseni Di Seno. Euh, la technique était assurée par Amina Hassan et Rahila Soumana Kadija Isaka à l'édition. Ne manquez pas nos éditions de 17h sur les ondes de nos radio Partenaire. Excellente journée à vous, bye bye.